que qu'est-ce que vous avez pu retenir par rapport à votre activité D'accord, merci beaucoup. Euh, en tant que participant, je dirais que nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup été édifiés. Il y a des notions dont nous avons connaissance, mais par la suite, à travers l'atelier de euh, formation qui nous a été animé, en tout cas, sur le thème des médias, sur la promotion du dialogue politique et le journalisme sensible au, au conflit impérial électoral. Nous avons été soumis à pas mal de choses. Nous avons été clarifiés sur la loi de la cybercriminalité, qui est une nouvelle loi récente. J'avoue que c'est beaucoup d'entre nous, c'est là que nous avions appris en tout cas les conséquences, les sanctions pénales qui sont attribuées euh, en cas de violation de cette loi. Également, nous avons appris euh, pas mal de choses sur le thème, notamment sur la responsabilité du journalisme, son attitude de comportement à tenir pendant la période électorale pour ne pas inciter en tout cas la population à une haine, à un trouble, à un trouble public. C'est tant que participante à cette formation, quels sont les enseignements que vous avez pu retenir dans l'activité que vous faites en tant que blogueuse <laughs> Bon, en tout cas, la formation a été vraiment euh, bon, ça nous a permis de combler nos lacunes. Donc, euh, ce que j'ai surtout aimé, c'est le fact-checking qui est. Euh, qui, bon, ça nous permet de chercher la véracité des contenus avant de les propager sur le web. Donc, pour moi, c'est un plus dans ma carrière. Donc, ça va me permettre d'être un peu plus intelligente dans le futur. Et ce que nous avons pu retenir hein, tout au long de cette formation, l'utilisation des réseaux sociaux, surtout aujourd'hui en, période électorale, que les jeunes aujourd'hui qu'ils traitent les informations comme ça se doit, qu'ils veillent à, la diffusion aussi de ces informations, qu'ils ne cherchent pas à essayer de détourner la conscience de cette population parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait traiter les informations comme ça se doit et créer les conditions à ce que ça soit diffusé comme vous l'avez eu. Merci.